Bonsoir et bienvenue sur Toussa la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Chers amis jeunes, aujourd'hui nous sommes où À Arlit. Et voilà, euh, vous l'avez compris, nous sommes à Arlit, plus précisément au sein de la radio Kausen 94 pour MHz nous sommes à Arlit. Arlit, vous le savez, c'est à plus de 1200 km de la capitale. Chers amis auditeurs, auditrices, aujourd'hui, nous allons parler avec euh, nos amis jeunes de la fermeture de la compagnie minière d'Akuta Kominak, une mine iranifère le plus connue d'ailleurs au Niger. kominak dabu yongo abono egisela kuna kominak mo bekul bay mantikala areva france wana company dinga non sinjika kuna igana se urano zanga din la sabu tede agin to jiri waita kindi ye kan ina gorandi za october jiri zambarin kan da dia ga ingano orano an karbore hanga kan dirko ba marsa hando da koy gubu jiri zambarin kan waran skin fawo ngai ko ga kominak dabu woidin mono akoy gete to kuna irka newo a quel sera l'avenir de cette jeunesse dont certains se retrouvent sans emploi avec la fermeture de Cominac vers quelles autres alternatives vont-ils retourner ils sont là avec nous et nous allons parler de la thématique qui s'intitule ainsi Quelle alternative pour les jeunes d'Arlit après la fermeture de Cominac Amis jeunes, nous sommes à la radio Kausen d'Arlit 94 pour La radio qui rassure. Hein. La radio qui rassure c'est ça, on appelle la 9-4 euh, Collection. La radio qui fait bouger. Pour à notre émission, euh, alors il ne faut pas hésiter, amis auditeurs, vous pouvez composer les 80 06 88 54. C'est le numéro WhatsApp du studio Kalangu. Avec nous, dans la FADA aujourd'hui, nous sommes avec euh, nous, Daouda, c'est le secrétaire général des sous-traitants, avec Abari Ibi Mamadou, lui aussi c'est le secrétaire général, pas des sous-traitants, mais de l'association Ajabab et aussi avec euh, le président de la JAB également, Meyachi, et avec euh, notre euh, camarade, lui, c'est le président des réseaux des diplomates. réseau des gens diplômés Ah, c'est des diplômés, pas des diplomates. Il s'appelle Idrissa Ousmane. Alors, dans cette fada, comme d'habitude, il y aura la musique, la rubrique de Dondi et aussi notre chroniqueur Oli Choko. Olivier, ça va Oui, ça va, ça va, tranquille. Et Arlit Bah, tranquille. On bien, très bien. et c'est le moment pour moi de remercier tout Arlit pour l'hospitalité et bien, bah, à la fin, il y aura les remerciements. Mais déjà, bah, je suis trop content et je le dis, merci Arlit. Arlit, ah Arlit, <laughs> ah, Grave. Ah, eh bien, quant à la chronique, il y a des questions qui se sont posées hier. Bah, demain, on va avoir les réponses avec nos amis de la FADA. Donc aujourd'hui, la chronique, c'est vraiment de la libre antenne avec mes amis de la FADA. Waouh. Donc, restez scotché aujourd'hui il y a une fada dans une fada. Tu as tout compris, mon Merci beaucoup. Alors, euh, nous allons commencer, comme on le dit, Haris Khan, Kalko Fatara. Est-ce nous, Dauda, Aranogati, sous-traitant, et Keng, Goy, Kambagichar Kambara, du Komina, Goitere, Gada, Bara, no Kamdense. On connaît une Komina Kdabu, Zade in Dabu Kasson, Omarsando, Zaroran, Skin, Faharangiro. Comment vous vivez cette situation? Assalamu alaikum camarades de la FADA. Bonsoir à tous. Et je remercie listido studio Kalangou de m'accorder cette euh, occasion de me présenter et de dire tout ce que je suis le cas par rapport à la fermeture Cominac et de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Certes, vraiment, la fermeture Cominac, c'est un drame, si je peux le dire, pour les travailleurs sous-traitants et les travailleurs internes Cominac en général, parce que vraiment, de nos jours,

foto kizno arande no go ko icha kambra kambra zami fo se go itega sambu genendo di hando bu amin bana on kun go si ni ga sinite ni mano gawo windi no ni se ago lwe asigwe asinite ni maga inunda to eh, irma aran sanwe din se irm eh, usman matano zade in komina kada bukaso aran mo ano talit fotage Comment vous vivez cette situation euh, voilà, avec les amis Je vous assure, vous êtes... moi, moi personnellement, euh, je ne suis pas un agent, mais également je ne suis pas un sous-traitant, mais je fais partie de la population. Et en tant que membre de cette population, moi je condamne avec dernière énergie vraiment eh, cette fermeture. Bien évidemment que chaque mine, l'a si bien dit un beau parleur, chaque mine a une âme, tôt ou tard elle sera appelée à, à se volatiliser. Donc partant de ça, ce que je condamne, je vous assure les deux sociétés, Cominac et Somaïr, sont des sociétés capables et surtout en mesure en tout cas de développer significativement, je vous dis significativement la ville d'Arlit. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se faire. La Communac ne peut pas fermer. Imaginez, nous, la population, cette fermeture, l'impact sur la population en tant que telle. Nous, nous, nous, osons espérer que la Communac allait fermer, même pas pour les agents également, pour les sous-traitants, mais pour la population. Quel est l'avantage que la population autochtone d'Arlit va tirer Avantage. Aujourd'hui, la Communac en matière de, technologie, on prend les mécaniciens. Il y a des ingénieurs en mécanique, il y a des ingénieurs en construction métallique, il y a des ingénieurs en bâtiment, etc., etc. Et les matériels, les centaines de machines. Pourquoi ces machines ne profitent pas pour le développement professionnel ou technique. Pourquoi la commune peut créer un centre de formation pour la population, si on peut dire la population, mais une population cible, par exemple, pour les pauvres, ces fils de pauvres qui n'ont pas les moyens ou bien dont les parents n'ont pas les moyens, en tout cas, de les, de les envoyer dans des centres de formation professionnelle et technique. C'est le gage du développement. Et je reviens encore sur la question de la formation. Il faut que ces agents-là de la Cominac soient formés significativement. Une formation financière, une éducation entrepreneuriale. On ne peut pas laisser des jeunes, peut-être détenteurs d'un simple certificat <coughs> ou d'un simple BPC, avec 14 millions, avec 20 millions. Moi, je pense qu'on peut également essayer de, de les former pour que cet argent-là ces millions-là puissent encore générer d'autres euh, revenus. C'est de cela qu'il s'agit. Euh, Toussman, on va euh, revenir à toi. Euh, Abari, il dit aujourd'hui, la communac, elle est fermée. À votre avis, que doivent faire les jeunes qui travaillent là-bas et vous aussi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aider vos camarades jeunes étant membres d'une structure des jeunes qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce que vous, vous êtes en train de faire pour ces jeunes. Voilà, merci Habibou, merci euh, au studio Kalangou. Maintenant, je pense que l'épisode de la fermeture de la commune est déjà clos. Maintenant, songeons aux perspectives. Et les perspectives, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure lors de l'émission précédente, les perspectives ne manquent pas. Et nous, à notre niveau, par le biais de notre structure, on anime des conférences, j'ai à le dire, on anime des formations pour amener ces gens-là qui sont victimes, directes ou indirectes, de cette fermeture, de ces drames qui ne concerne pas en fait les intéressés, ça concerne tous les Niger. Ça, on doit les, dire les quatre vérités. La fermeture ne concerne pas les employés de la Cominac ou bien les sous-traitants, ça concerne tous les Niger, puisque d'une manière ou d'une autre, ces compagnies contribuent au développement du pays. Et voilà. Par rapport aux perspectives, nous, ce que nous conseillons toujours, même à travers les formations, on veut à ce que les jeunes créent des entreprises. Nous voulons à ce que la jeunesse maintenant parte vers l'entrepreneuriat créer des entreprises, s'autonomiser. une porte est fermée, une autre doit s'ouvrir. Notre cri de cœur maintenant concerne même ceux qui sont actifs, ceux qui travaillent, de ne pas se contenter de son salaire. À plus forte raison, ceux qui ont été victimes de, de la fermeture, des plans sociaux, etc., de tous ces drames-là, ils doivent maintenant tourner leur regard vers l'entrepreneuriat. Créer des entreprises aussi petites soient-elles, quand même, elles doivent vous permettre de subvenir à vos besoins. Merci, je vais euh, revenir à vous. Maintenant, on revient à Ali Alassane. Présentez-vous. Donc, euh, merci à la radio Studio Kalangou et aussi à la radio Kaoussa en tout cas de nous avoir offert cette opportunité. C'est juste vraiment d'animer la FADA avec. Et moi, je réponds au nom de Ali Alassane Moumoun. Je suis formateur d'abord en électricité et conseiller d'orientation, d'accompagnement et d'insertion socio-professionnelle des jeunes au niveau de la plateforme orientation jeunesse. Voilà, euh, c'est le mot là que j'aimerais entendre insertion professionnelle. Aujourd'hui, euh, la mine, elle est fermée. Ouais, ouais. Ça veut dire que vous aurez encore d'autres jeunes à insérer quelque part. Effectivement. quelque part, maintenant, il faut les insérer quelque part. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire dans ce sens Ou bien, euh, voilà, vous les regardez d'abord mm, Non, pas du tout. on n'est pas voilà, les armes qui voulaient manger tout seul toujours. <laughs> voilà. en question des sessions des jeunes, en tout cas, la plateforme, comme je puis aller dire, en tout cas, c'est un espace des jeunes. Hein. Euh, pour votre information, dans les différentes actions que nous faisons, nous accueillons d'abord les jeunes qui sont porteurs de projets. Mm-hmm. D'où l'opportunité même chaque fois de venir à la radio, de faire la promotion de cette plateforme le groupe WhatsApp de divulguer tout ce qui est information ou du moins tout ce qui est compétition des jeunes, soit qui sont porteurs de projets ou bien des jeunes qui ont du mal à conceptionner leur propre projet. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, souvent tu vas faire face à des jeunes qui ont vraiment tout un tas d'idées de projets. Mais c'est quoi le problème C'est qu'ils ont du mal à les conceptionner. aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé euh, quelqu'un qui a traité avec la mine euh, en tant que sous-traitant ou bien un ancien agent de la Cominac qui est venu peut-être vers vous Vers qui vous êtes allé pour voir euh, comment aider un tel à, à changer ou bien à faire voilà, voilà. quoi. Voilà, mm. effectivement, nous l'avons récemment au niveau de la plateforme. Nous avons un programme avec GIZ Pro Emploi un programme qui consiste non seulement à appuyer les jeunes porteurs de projets, mais aussi qui consiste à identifier les jeunes qui voulaient faire la formation. ce projet a un partenariat avec la radio Kaoussa, d'où il partageait l'information à l'endroit des communautés, c'est-à-dire qui écoutaient les radios, la commune d'Arlit, donc c'est-à-dire la population d'Arlit, afin de les faire savoir qu'il y a une plateforme qui est là et qu'il y a des carnivals, il y a une promotion des carnivals qui est là au niveau de la plateforme. Tous les jeunes qui sont porteurs de projets peuvent passer. Ces derniers temps, en tout cas, nous recevons beaucoup nous recevons beaucoup, si on peut donner les chiffres, en tout cas moi j'ai pu arrêter une dizaine, voire une vingtaine de gens. qui vient me dire qu'ils sont des ressortissants, en tout cas victimes de la communauté. Ils me disent clair. Et Dieu merci, avec vraiment ces services, nous arrivons à les informer de quoi il s'agit même la plateforme. Et ces services, c'est-à-dire ces partenariats avec la Pro Emploi GIZ, qu'est-ce qui va les offrir D'abord, c'est l'opportunité de s'autonomiser, pourvu que tu puisses avoir une vision vis-à-vis de tes ambitions. Parce qu'il faut le dire, à la plateforme, on donne l'ambition et l'attitude aux jeunes de s'exprimer librement vis-à-vis de ces projets. Maintenant, ces gens qu'on reçoit du côté de la euh, plateforme, il y a cinq autres qui ont une promotion des formations en énergie renouvelable mhm. et installation des systèmes photovoltaïques. Ça veut dire quoi ces cinq jeunes qui sont victimes de la sommaire et qui Pro Emploi voulait les prendre et les former à travers la plateforme. Une fois formés, ils vont les insérer dans le tissu, ils vont monter leur entreprise. Donc avant, ils étaient électriciens, maintenant, ils sont plus électriciens. Comme c'est toujours dans le domaine, ils seront maintenant des techniciens en tout cas en matière de montage des systèmes photovoltaïques, ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Donc, je dirais que c'est l'occasion de dire à tout un chacun ici mhm. que c'est vrai, c'est comme l'a dit euh, mon ami ici présent à Paris, que si une porte doit se fermer, certainement une autre doit s'ouvrir parce que les opportunités ne manquent toujours pas à tout celui qui cherche, bien sûr. Eh, on va revenir à vous. Nous, sandika dans le processus de la fermeture de la compagnie minière d'Akuta Kominak, la compagnie aurait prévu un plan social qui devrait octroyer à ses 600 employés entre 20 et 60 millions de francs CFA et qu'en est-il des 800 sous-traitants Est-ce que vous confirmez cette information ou bien vous infirmez l'information C'est vrai Assalamu alaikum. Mhm. Zanga, komina bon kan kuminak tun ani aboy agino wadi i wani deja no fatagici gine a iyo yino entre 20 et 60 millions hmm. wani hankan na ki tele ano mais malheureusement manci wadin notin ki ma wadin oh. yutun yute delegation yune im koynya mai gima matkan no gote zama sandika komina ko ne inge ko go nyame yon direction do kan gono direction general ine to imo imi kwandi yi heno

hali election extintin kan yi bore ye ko no din yamai imana ga a demission akwai campagne wa ya dinga yi man du kunu mhm. yi ye ga kazam ki sintin ha boyan gon kan ni se im stay haikulu ta dai no haikul si ga indi ko mina gama e mo yi kai go glass sabu gidi kam hunkuna di ko glass sabu mat kan boy goki o mat ko mina kno ni dangwai me komina gwe gweni goti e boy din kan se komina gbag no hay nge mo komina gwe ni goti won kan se ni e tun gu wongu no ya ine to son kom ine isi baydin nyama yi ko yi wongu zami fo ni unte musintin bene su se di hay fo ka bo asine nim na katibi ya ga in dambo to a i han kan gote son di hay fo man te di sintin han kan ne gba te din asin gte yim ni se yim ga yi ka boyim ka saba mm. bon kanse no yu jije itil ne o yu te mouvement to irge ka aran eh, mouvement halde ir kondir fakara dijina ir koyno dini dondi do hare dinga mo ribri ko hunkuna nganda maino fakare ifo difono dondi kandirse nigérien nigérienne mes chers compatriotes pour la prospérité Rappelez certainement de l'artiste, il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Rim. Vous avez eu le parcours en question du combattant. Qui il était Eh, vous le savez déjà. L'artiste Dandy la machine. T'es souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Ça va eh, J'étais content en tout cas de te recevoir hein, sur cette émission. Hier, on avait parlé de toi. Euh, on a déjà une, une certaine euh, information sur ta personne. Et aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de culture Niger. De culture Niger. Nous allons parler de cette page qui nous donne l'actualité et cette page que nous suivons chaque jour que Dieu fait. Alors aujourd'hui, parlons de culture Niger. De qui est-ce que tu as créé cette page du pourquoi de cette page, de la promotion que tu fais sur cette page. C'est important que nous parlons de tout ça pour permettre aux jeunes qui nous kiffent d'avoir toutes ces informations. Mon ami. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de Studio Kalangu pour répondre à sa question. C'est une question qu'on me pose à chaque fois. Mhm. Je suis en train de vivre quelque chose que je voudrais que mon enfant vive cela. C'est voir ton héritier vivant. Donc culture Niger, en réalité, c'est la version numérique mhm. du journal Le Casette. Et le journal Le Cazel, pour rappel, c'est un journal du papa. Ok. C'est Monsieur Cazel qui a fait son journal. Bien sûr. Dans les années 70-80. Ok. Le premier journal hein, en réalité. Le premier journal, privé. Donc c'est ça, numérique. Parce qu'à leur temps, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait, pas, de Facebook, pas de Il n'y Pas de réseaux sociaux. Donc tu as préféré numériser ce qu'il a commencé. Continuer ce qu'il a déjà commencé. Et, augmenter, améliorer, mettre à jour. Et de se croire devant ses yeux. Donc c'est ça aussi un héritage vivant, tu vois ton héritier. Tu rends hommage aux vivants. Rendons-nous Rendons hommage vivant. Et c'est ce que je fais à travers la page culture euh, Niger, parce que quand vous prenez la page culture Niger, mhm. et aussi la petite série sur le gâteau, mhm. c'est vrai, le papa a commencé, mhm. j'essaie d'améliorer. Aujourd'hui, quand vous parlez de Sidiki Diabaté, c'est parce qu'il y a le Diabaté, tout le monde pense au Diabaté. Et c'est un peu pareil. Mais ici au Niger, malheureusement, quand la personne fait quelque chose, on ne voit pas ses arrières. Hmm. Voilà. Normalement, aujourd'hui, quand on parle de culture Niger, on doit voir l'initiateur à la base. On doit voir M. Kazel. M. Kazel qui est là. Je merci, papa. Alors, papa, la machine d'Andy vous rend aussi hommage. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la culture nigérienne, M. Kazel. Niger Culture. Oui. C'est sur Facebook. Quel contenu tu diffuses sur cette page Écoutez, Déjà, on est à 130 000 abonnés. C'est énorme pour le Niger. 130 000, tu faites partie des influenceurs. Mais je pense que je ne travaille pas assez. Je trouve que c'est minime. Tu travailles chaque jour que Dieu fait. Et ça va le faire, t'inquiète, ça va marcher, ça va aller. On est là, tout compte faire. J'espère que ça va aller, grand frère. On va le faire, ça va aller. Qu'est-ce qui fait galérer les moustaphes quand ils suivent la page La viande. Culture culinaire. Culture culinaire. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est le fait de partir au marché du Diamagué, mhm. prendre le Windu Bunduteya, mhm. le Moringa, mhm. le préparer et venir le molester. Mhm. J'enlève mes bagues, je moleste. Devant les gens. <laughs> Nous sommes à la fin de la rubrique. En dehors, donc, euh, bien évidemment, de la culture culinaire, tu accompagnes aussi les artistes. Oui, effectivement. Donc, chaque jour sur la page Culture Niger, on a l'artiste du jour. L'artiste Didi. On essaye de faire euh, la biographie de l'artiste. Biographie de l'artiste. C'est qui l'artiste Qu'est-ce qu'il a fait La preuve Récemment, j'avais fait la biographie de Djingare Mega, qui est Mega cinéaste. Il a fait plus de 50 ans de carrière. Le dernier film, Le Pardon. Oui, et vous voyez, c'est son héritage aussi. Bouba. Son tout dernier, c'est Femme Noire du village avec avec sûr. Bien sûr. Qu'il est en train de retourner mais lui aussi, il doit être fier. Pourquoi Parce qu'il a un enfant qui s'appelle Bouba Djingare Mega. Super. Qui a son quatrième long métrage. Et il, est, il a aussi hérité. Il a aussi hérité. Donc vous vous ressemblez un tout petit peu. Nous sommes à la fin de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne, Monsieur Kazel Junior. Junior, merci. Donc l'instant est solennel. Mm. Tout ce que tu as dit pour amener les jeunes à aimer, à te suivre de près, parce que te suivre, c'est aussi s'enrichir. Et pour vous dire aussi la vérité, et Culture Niger est en train de préparer quelque chose pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle FADA 2.0. C'est pour compléter tout ça la FADA. Ce qu'on est en train de vivre tous les jours, comment sensibiliser, comment faire des jeunes citoyens actifs, responsables pour le Niger, à travers le vélo, à travers ne pas jeter, ne pas transformer Niamey en dépotoir. Parce qu'on a numérisé plus de 5000 œuvres artistiques et culturelles du Niger. qu'il qu'il entend, tant, tant, qu'il une yeeso na godi grand frère madala mantikala tusala fada sigiro senaron gonga hangan irgo newo arlit kwara arlit moind furtage no gona gisala ngiet charmera hankanga ti komina wana dabu yongo bonga nir gona gfakarai hunkunday furtage kan nir burnye zama ikwarno irgo irgonda nu dawda nga no gati su treta ngai wana sandika jin funa idrisa tusman nga mo furta jino ay kulkan furta kulkan du ngon diploma ng kambara nga no gati wan kunda jin funa yadin mono mayachi mo gono halka so nga mo furta jai kunda a wani gin funa no kan signe ajab da a wana takadaga ika esijano ya nga mo ana gana ka igna se abari idi borai o denga no inde gona fakarai hunkuna ah, fada sigiroga mayachi hunkuna talifo dum no yin gene C'est quoi le problème vraiment, le grand, grand problème et comment vous comptez attaquer ce problème-là comme solution Tout de suite, euh, Abar, il a dit, c'est des formations, c'est des sensibilisations. Qu'est-ce que vous, vous comptez vraiment faire pour ces jeunes-là, pour que vraiment euh, la ville ne perd pas euh, toutes ses euh, valeurs eh, merci, merci beaucoup pour cette pertinente question. en tout cas, par rapport à cela, ce que nous envisageons eh, d'organiser en première position et c'est dire à ses agents de rester. De rester puisqu'il y a des opportunités qui s'ouvrent déjà. De ne pas quitter. Ah de ne pas quitter. Parce que déjà, moi, je ne peux pas comprendre après avoir passé 30 ans. Donc, il faut rester, créer d'autres opportunités. Les opportunités sont là avec Guidandaka et autres. Là. Très bientôt, nous avons entendu parler qu'il y a déjà Transarion aussi qui va ouvrir. Donc, de notre côté, en tant qu'AJAP, ce que nous eh, allons faire, c'est peut-être d'organiser en tout cas des séances de formation. Mmh. Il va falloir assez qu'on apprenne à ces personnes-là comment gérer, comment faire le business plan, comment monter un, chiffre, chiffre d'affaires pour pouvoir en tout cas euh, faire leur business. Alors, tout ce monde sont nixel RC, Zarmsen mon été dire quoi bah. Boro achionga anekan espoir est permis. Zanga boraim si découragé fa. Est-ce que nous on dit on gagne de boraim si découragé almo beaucoup temps. Ah là boraim si découragé. Déjà, il faut le dire. Donc on est toujours armé de courage. Vous l'avez si bien dit, même c'est notre slogan. Les Arlutois sont déterminés, ils sont engagés. Donc euh, vraiment nous allons essayer de créer et de continuer à créer. Les associations, association, on a une association du nom des réseaux des jeunes diplômés d'alerte pour le développement socio-éducatif. Rien que euh, la semaine passée, nous avons tenu une journée professionnelle on a célébré la première édition de la journée professionnelle. Donc nous avons accompagné eh, les étudiants et les élèves des écoles et des instituts eh, professionnels et techniques à accorder encore de l'importance à la formation professionnelle. Donc ça a profité aussi aux professionnels qui sont au niveau de la Communac, Parce que c'est même un agent de la, de la que nous avons invité pour nous animer euh, la conférence en tant que telle. Et c'était vraiment un, conférencier, en tout cas compétent, aguerri et surtout averti. Il nous a parlé parce que les thèmes, c'était le rôle de la formation professionnelle dans le développement socio-économique. Donc, quel est l'apport Le professionnel en tant que tel, qu'est-ce qu'un professionnel peut apporter dans le développement social, dans le développement économique Donc, il a effleuré beaucoup de, de points. Par exemple, il a, évoqué déjà le cas de la communac Comment maintenant les ouvriers de la Cominac, maintenant comme la Cominac a fermé ses portes, comment les ouvriers de la communac peuvent être insérés Comment il, a aussi évoqué le cas de Guidendaka. Il a rappelé qu'il y a des professionnels, vraiment, un professionnel en termes de définition, c'est quelqu'un qui maîtrise son métier. C'est quelqu'un vraiment à qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire ces, ces, employés de la Cominac, pour moi, ils peuvent profiter, ils peuvent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, bien sûr dans l'entrepreneuriat ou dans une activité quelconque qui est source euh, génératrice de revenus. Merci Tousman. Alboranou Irka Aranga. Eh, irma ine hangu wara wara eh, go eh, madawa ila no dino borai go naga ceci go bonda zama darang fongu za jie gir zambarin kandi wacinde gango no go viex canada kampano dini aning wan frege sintena gisino din ila no dimo ine kan mini nongu ta jingni bag fansi zanga o kande ko mina go ta dumano matano irgi ngene kan borai ngie lakala yetino ni harga walmo saniyandaino assalamu alaikum alaikum salam donc matkan nikira c'est vrai ansarai no gine le bon dieu il fait pas ce truc au hasard mhm. matkan ai kai ne ki ai kelai mhm. port fog dabu a fum feri on a vu le cas avec euh, imu mhm. imu ninga porte dabu wura mo fatta sanoban yi koy non ka yadin ga hankan ne ge ki ai nyai zai se imisika gugo imine a zamne o dabu iske ki govex wana mm. sai c'est vrai govex -hmm. ai ginginen se ko gobek swato ka ninga mm. foyeja sintina gisi ai go boyera mashallah parce que j'étais dans les sondages avec les affaires en ce moment to nangu zenno ka an sarete sondage yuno sintin mhm. ki feri af wato ki ni te izene yini yun c'est vrai matkan boy go ki aka mm. govex ka mais govex o ai wo matkan ne gonda baunda manti komina ko na dimini ba imte wato oh parce que wankan ni gonda bawo oh. inga wo permini se mm -hmm. permini dai im ka im te recherche imanere après mm. donc sanno ye ka te inka igo ne a agte ima feri igogoi da komina kona installation wato matkan nirma ma di ninge minera ka iga traiter kominak yadino sanno man kai ba foyon gone yadino ba foyon gone man tiadin c'est vrai ku ba govex tun mm. hankan yi kwai dai no kite matuwa kul no gini kwai no din me wankan ne ba anye zai ga insertion mat kan zan kai sin tin salan insertion maga yi salan du député national aglit wana kan gati sidi ablaziz mm. bashir yi salan da wadin deja insertion wai sin tin mantiba ne wa za samira kalmal baza il a commencé à placer des dossiers des gens qui mm-hmm. vont quitter. Madela. Et pour information, parce qu'on parle de la jeunesse, ces travailleurs-là, ils ne sont pas tous de jeunes. Ok. Il y a des gens qui sont à deux pas de la retraite ou en phase terminale <laughs> aujourd'hui ou demain ils peuvent ça. To ngai mo matano. To inge ni goki. Won kan se ni won gunu agne boy din irba. fo mu fatta. Di hayo adin fatta. Boy inge bon kamza. Hmm. Il faut se boyon gon kan gire o kulkite. Boyon gon kan gon gi wan zikin chugu. Wai ta ci kan go goine o. Dinga ni sintin hun kun fari sise. Igo luweno. Won kan se i won goki teno fo mu fatta boy din mu duba adi parcel ni du. hun kuno di kwa ni ta di yingu ko yedo iga ifo na zan kai se zan kai se yadin zan kai bai kan iba bai goi mhm. to wankan se gin bore ki ho imi ye pole wongu kalki te mouvement igo ne se dirin te boda ya mun te e sa paye parce que la nature ne donne rien gâtement kurmi zaino gane jama'a ma ceci bonse aba bor mungwarai du Ngwaraïgadou, Hawino Sokbarmja. Yadeno, on va aller en musique avec euh, Maliaro Kourmise pour voir si Arlitin Talité ou la Manité, Anne Arlin Zama Moruno. Yadena, Mantalité. Amnate, mais son boy Godika Arlitin Talité. Yadena, on va en bah, musique et revenir tout de suite. Sabu sababa hakali ikaya. De retour à la FADA avec euh, nos jeunes amis d'Arlita. Et pour finir, on va inviter Olivier. Olivier, sur le Kair Macro, Nico, il faut dire Oh, mais toi, <laughs> Olivier. Ah, vas-y. Euh, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va ben, Prenez vos micros parce que la, chronique de ce soir, c'est vraiment de la libre antenne. De la libre antenne. Alors on est scotché, on est connecté, on est câblé au maximum, on, t'écoute. Super. Ami auditeur de la FADA, amis auditeurs d'Arlit et d'ailleurs, bonsoir. Hier dans la chronique, je parlais de la accès à la connexion Internet dans le département d'Arlit. Et j'avais mentionné ce que disait la déclaration de politique générale du gouvernement. Et c'est avec plusieurs questions que j'ai conclu ma chronique d'hier. Ce soir, j'aimerais avoir votre avis sur certaines questions. D'abord, les gars, comment vous vivez avec la connexion Internet d'Arlit En ce qui me concerne, hum. la connexion d'Arlit, euh, vraiment, elle, est énervante et choquante. On pense qu'à Arlit, elle est chiante, merci. La connexion n'existe même pas en tant que telle. Imaginez, nous sommes en 21e siècle. Hein? plutôt à la fin même du XXIe siècle. Et à Arlit, qu'on a l'habitude d'appeler communément deuxième Paris, la connexion, vous l'avez remarqué vous-même. C'est comme ça qu'on vit, c'est un calvaire. Vous qui êtes dans la formation, comment vous gérez votre connexion, la connexion Internet En tout cas, en termes de professionnalisme, ça impacte. Il faut le dire, ça impacte même euh, notre milieu professionnel. Parce qu'avant, on avait cette connexion d'Internet. On transférait et on stockait nos bases de données dans l'Internet ou euh, dans les, ordinateurs. Mais vu vraiment cette euh, manque de fiabilité, aussi cette manque de qualité de la connexion, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est sur les hard, cest à l'écrit. Alors pour certains, c'est pas tout le monde qui est 2.01, hein. Pour certains, la connexion internet n'est pas aussi intéressante que ça. Pour vous aujourd'hui, l'état de cette connexion, un atout ou bien un inconvénient Franchement, on ne peut pas dire que c'est un inconvénient, c'est un atout, c'est un atout, c'est un atout, on peut le dire pensez? Bien sûr, oui, bien sûr, c'est un atout. Alors, c'est quoi le côté positif de la chose Bon, le côté positif, euh, c'est que, comme euh, l'ont dit mes prédécesseurs, au fait, côté négatif d'abord. parce la connexion, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, elle est lente, elle est tout ce qu'elle est, en réalité, quoi, tout ce qu'elle est, franchement. Parce que tu peux mettre 1000 francs, tu peux faire 24 euh, pour autant, euh, en tout cas, euh, <laughs> écouter une sonnerie, peut-être, voilà, un truc comme ça. Imagine, tu actives le méga. 24 heures, tu n'as même pas reçu un message. Il faut attendre. C'est pas bien. Elle n'a mhm. tout juste, bon, des fois, ça va, ça vient. Ça va, ça vient, des fois. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais la connexion, elle est mauvaise, elle est tout sec, qu'elle est. En tout cas, sauf bonne. Hein. Ok, super. Alors là, vous êtes sur l'émission Tous à la Fada et on l'a lu dans la déclaration du, de la politique du gouvernement avoir accès à Internet ne devrait pas être un luxe. C'est plutôt un outil de développement pour le gouvernement nigérien. Si vous avez un message aujourd'hui pour ceux et celles qui nous écoutent, surtout nos dirigeants, qu'est-ce que vous allez leur dire sur le plan de la connectivité d'Arlit En tout cas, nous lançons un grand appel à l'endroit de nos autorités de vraiment créer les conditions pour nous fournir une connexion de qualité propre au monde d'aujourd'hui. C'est la fin de la chronique. Une connexion mhm. de bonne qualité propre au monde d'aujourd'hui. Ah ben, c'est la fin de la chronique de ce soir. Ah le grand, il veut ajouter quelque chose. D'accord. Ça rien vous cacher, elle fait pas notre bonheur. <laughs> les anciens ne parlent pas beaucoup. Parce que euh. nous, nous, nous suivons des cours de loin. Personnellement, moi, je suis à un institut de loin, mm. mais j'arrive pas à télécharger les modules, surtout même les évaluations. Il y a tout un problème. Problème de réception, problème d'etcetera, etc., etc. Franchement, nous lançons un appel, euh, en tout cas, à nos autorités, de créer les conditions, vraiment de créer les conditions pour nous assurer, en tout cas, une connexion digne de ces noms, digne de ces noms et digne de notre époque 21e siècle. 21e siècle. Et c'est la fin de la chronique de ce soir pour rappeler à ceux et celles qui nous écoutent que l'homme le plus riche du monde ah bah, il ne travaille pas dans les mines, il travaille dans la technologie, il gagne sa vie grâce à Internet. Aujourd'hui, Internet, comme vous le savez mieux que moi, n'est plus seulement un outil de divertissement, mais aussi un outil de création d'emploi, un outil de développement. Mes auditeurs et auditrices, que vous soyez d'ici et d'ailleurs, je garde espoir que cette chronique vous a donné l'occasion de savoir plus sur ce que vivent les jeunes de la région d'Arlit, dans l'espoir que ceux qui ont promis accélérer la transformation digitale du Niger puissent tenir leurs promesses. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Merci Arlit et j'espère qu'on reviendra et on partagera de bons moments avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Alit, merci. Bye bye. Merci beaucoup, Olivier. Alors, amis auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, chers amis de la FADA, ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui avec cette belle chronique d'Olivier. Alors, amis jeunes, Irga Irwanunkun on retient un seul mot, une seule phrase. La fermeture d'une porte n'empêche pas l'ouverture de plusieurs autres portes. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, bye bye.